tubaab day wax les les hommes passent les institutions demeurent kon ñun ñëpp dañu am intérêt respecter la justice respecter suñuy alkaati respecter suñu suñu institution respecter le président de la République parce que loolu dañ fa am loolu moo tax tey adduna bi yëpp naw ñu loolu moo tax tey Sénégal foo dem ñu boole ko sur la liste verte te loolu ce n'est pas seulement les dirigeants mais peuple sénégalais dans sa maturité moo ko wane moo tax ñuy lancer appel à ce que képp koo xam tey da ngay jóg fexe ba li ngay wax ak li ngay jóg doon lu méngoo ak di respecter les institutions bi loolu amee aussi ñëpp xam nañ ne Sénégal ci wàllu démocratie ci wàllu élection gàcc ngaalaam ndax li fi xew depuis 2000 ba léegi tabaarkalla macha allah dinañ jëm ci élection def ko ni mu war a leeree ni mu war a setee ki war a gañe gañe donte dina am ñuy ñaxtu waaye suñ demee ca fa nga xam ne nekkee benn. ku ci am dëgg am nga dëgg ku amul dëgg amul dëgg te ñëpp xëy suba dem liggéey tax leen soxla kon loolu nga xam ne moom loolu mooy mandarga Sénégal ci Afrique ci àdduna bi nañ fexee ba sàmm ko ndax loolu moo ñu jig bu loolu weesoo di jëm ci élection yi di ñëw muy élection gox goxaan yi taxawaay bi nga xam ne ñëpp moom la ñu war a taxaw képp koo xam ne tey candidat ak foo mun ci bokk lu ñu lay digal mooy nga dem ci terrain bi nga dem waxtaan ak population yi

Eh. Merci beaucoup. Nous image Merci beaucoup, camarade Nous allons donner la parole aux journalistes qui ont des questions, euh, poser des questions et puis après on va apporter

allez-y, on va essayer de. Voilà, bon, ça va. Allez-y, ah, Parce que voilà, en fait, euh, je, je demande juste est-ce que c'est comme ça que euh, vous comptez mener le rapport euh, de force Rester un peu dans, dans, la réaction et laisser le terrain politique à l'opposition. À chaque fois que l'opposition mène un combat sur le terrain, vous êtes en conférence de presse ou bien en point de presse Est-ce qu'il y, a... oui, est qu'il y a une. On va prendre les questions et puis on va répondre. Est-ce qu'il y a une autre question Très bien. Alors, il n'y a, pas, y a pas de réponse euh, de question. questions que de qui a été posée. Sinon, sinon. à autre pays de donner euh, euh, a une deuxième question. Oui. Il a une deuxième question. Oui, il a une deuxième question. J'ai une deuxième question. Est-ce que, vous n'êtes pas un peu dans le déni quand vous dites que les, populations ne sont pas sorties aujourd'hui Parce que la réalité est tout autre euh, sur le terrain. On a vu des, gens manifester et puis il y a des grenades lacrymogènes qui ont été jetées euh, euh, chez les jeunes qui sont sortis aujourd'hui. Donc quand vous dites que les gens ne sont pas sortis, est-ce que vous n'êtes pas dans le déni est-ce qu'il y a, d'autres euh, préoccupations non, on va donner une première réponse avant de donner aux camarades. Vous êtes de quel organe 7TV. 7TV, merci beaucoup. Euh, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, il faut le constater et s'en féliciter. Les Sénégalais et les Takarois n'ont effectivement pas répondu à l'appel insurrectionnel de M. Khalifa Sall et de sa meute composée, principalement de Barthélémy et de Nous avons ici une jeunesse engagée et déterminée dans cette salle. Déterminée à défendre le Sénégal et déterminée à défendre le démocratique de nos pères fondateurs. Absolument. Nous avons un projet politique tout à fait. Nous avons le plan Sénégal émergent. Nous avons une coalition plurielle, multicolore, avec des hommes politiques d'envergure, d'expérience. Évidemment que non seulement nous n'avons pas peur, mieux, nous sommes convaincus de notre victoire le 23 janvier. Nous allons gagner. Nous allons gagner parce que nous avons un projet. Nous allons gagner parce que nous avons un leader. Nous allons gagner parce que nous avons un chef d'État éclairé, en compagnie d'hommes politiques de premier plan, avec des projets qui transforment la vie des Sénégalais partout à travers le pays. Voilà pourquoi nous n'avons pas le moindre doute qu'au soir du 23 janvier, nous aurons gagné pas moins de 500 communes à travers le pays nous allons gagner. Et ils le savent. Et c'est bien parce qu'ils le savent